Radio à Dakar. D'accord, donc du coup, dans cette nouvelle génération, il n'y a personne que tu écoutes Si, j'écoute parfois. J'écoute, euh, j'ai écouté. Euh, j'écoute, j'écoute, j'écoute, mais quand je comprends ce, qu'ils disent, je prends mon temps. Quand je ne comprends pas, quand je vois que le gars la et le gars, ce qu'il me dit, c'est du pain ou euh, au pain brochette euh, euh, en passant par ginaar à ak c'est-à-dire du coq à l'âne <laughs> j'écoute pas parce que parce que les boys cherchent trop les punchlines jusqu'à oublier même le sens du texte ça c'est ça, c'est grave et des fois ils, ils refusent de mettre les rimes mais nous on a grandi avec les rimes quand on est petit de Dieu fu ñu lay commencé lay bismillah nous on apprend par bismillah bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم On a grandi comme ça avec les rimes. Et les jeunes maintenant, ils sont fous des rimes. Ils sont fous là. Ils disent, ils font du rap. Moi, tu fais quatre phrases, il n'y a pas de rime, je zappe. J'ai rien à foutre. <laughs> Parce que tu ne fais pas de la poésie, mon frère. Tu peux... Non, non, non. Respecte. Le rap, c'est les rimes. S'il y a un grand, il y a un... Non, ça, c'est des naféreux. Il y a des grands, ils ne cherchent pas à dire la vérité parce qu'ils règles plein de clash. Moi, je m'en fous que tu me clashes, que tu me railles, tu me la railles sur le sens des poils pour la nerf. Bombarde le monde. nga toj asamaan si rien à foutre heure añ dinaa donc euh, voilà quand je dois te dire la vérité je te dis la vérité et bon voilà c'est ça. Nous bëri nag dañuy parce que duñ wax raara quand tu le quand tu le donnes non mais boy, ils sont dans le monde ils cartonnent ils sont extraordinaires oui ils gagnent de l'argent c'est faux gagne rien du tout. Qu'est-ce qu'ils gagnent Tu les as vus avec des, des, des, des maisons. Ils doivent avoir ces maisons-là. Parce que nous, il y a boy, C'est-à-dire, ils même, ils, ils, boy a envie de vouloir réussir dans la vie. C'est-à-dire, même les miettes là que les, les boys ramassent, ils disent Non, boy, n'y gagné. Non, boy, t'es pas fou, hein. Tu dois avoir des terrain, des terrains, des terrains ay terrain ni ngi koy tabax ni ngi ñi ngi ci ay affaire yow la ñuy ci sa yooyu noonu bu ko lekk nga tu vois tu dois avoir des terrains des maisons des voitures parce que jomb la Tupac à l'âge de 25 ans il est mort avant 25 ans il s'est explosé dans le monde qui connaît pas Tupac ici es à l'âge de 25 ans il est mort ici tu as 25 ans on dit que tu es un petit c'est-à-dire dañuy dindi sa bëgg-bëgg dañuy roc ci bëgg-bëgg bi c'est-à-dire on te dit que tu petit tu as vingt cinq ans donc tu dois rien avoir donc loolu yor sax da nga war a dem nga dem ci boîte nga foo ci nga jaaxaar ci non non non non non tu es grand mag nga doo booy boo amee defaral sa bopp parce que tey booy bu ñu amee weccat lu ñu def mais dañuy dem rek ñu wut seen ñu dem loué ji beneen appartement mais seen papa ak seen yaay boo demee rek leen fekk ci ghetto bi ah et eux ils cherchent à changer leur vie mais moi, je ne trouve pas. Moi, je préfère changer la vie de mon père et de ma mère, de mes frères, de mes soeurs et de mon quartier que de changer ma vie. Je suis seul. Je peux être sacrifié. Grave, c'est pas grave. L'essentiel, euh, le plus grand nombre va être sacrifié. Suicide individuel pour la résurrection collective. Yes. Donc ta vérité, tu en parles aussi euh, dans ton dernier projet. Euh, donc tu as tenu à en faire un concept un peu unique euh, qui était de faire un film-album. Tout ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là Ouais, euh, c'est un album film, c'est un album storytelling, encore une fois, pour faire revenir l'écriture qui est la partie émergente, émergente de, du rap. L'écriture, à savoir, l'écriture, quand tu la fais, tu prends du temps, tu, tu réfléchis, tu fais des analyses, tu vas même au-delà de ça, c'est-à-dire tu sors même dans ton coin pour aller vers d'autres gens, créer un débat pour soutirer quelques idées à développer. C'est-à-dire, moi quand je fais un texte qui, qui, qui, peut être l'essence même d'une vie, je ne me refais pas seulement qui Des fois, je, crée, je, je vois des gens, je crée le débat. Et tandis que le moment où je crée le débat, je me demande si ça m'a texte. Mais ils ne savent pas. Et quand ils, parlent, tout le monde parle. Je, je soutire. Voilà, après, Moyobuko, je le mets là-bas. ça c'est des idées. Après, je développe ça. Des fois, je demande, je demande un petit imam, qui, imam je lui demande, Moubi il signifier pourquoi Mounio, il parle de Karbala, qu'est-ce qui a amené Karbala, je, je, je, bu may expliquer texte bi dama le maîtriser parce que dama ci def ay recherche 6 mois 4 mois 5 mois donc l'album c'est comme ça c'est un album storytelling c'est un album aussi où les thèmes continuent. Dao continuer après di Galantou, après Gordon doon après Gordon doonee wëndëng euh, nga daj dëpp Ngadam dajee dëpp nga euh, donc c'est comme ça suite logique album bitière et tout est storytelling c'est-à-dire en écoutant les sons tu vois l'image l'écriture imagée donc pour une première fois dans l'histoire du rap euh, tout simplement c'est pas parce que ni les mënuñu mais ils prennent pas ce temps-là euh, ça m'a fait sept ans quand même et, je pense pas qu'il y a beaucoup de rappeurs qui peuvent attendre sept ans sans avoir du besoin. non moi moi je peux rester sept ans pour sortir quelque chose qui va faire 70 ans après que, que <laughs> d'être toujours là et de sortir des choses qui vont, qui vont, qui vont passer vite fait. Nous, attends, écoute bien. Tu as une fois vu un rappeur, un old school, faire un album téléchargeable euh, gratuitement Bah oui, les mixtapes. Qui ça Bah pratiquement tout le monde a fait des mixtapes. Non, non, non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que, est-ce que tu as une fois vu un old school sénégalais ah, faire un album ou bien un mixtape, quoi qu'il en soit, des sons qu'ils donnent gratuitement euh, sur le net. Non, mais aussi ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, euh, le système de consommation de la musique a changé. C'est-à-dire qu'à votre époque, les gens euh, achetaient des CD, mhm. des cassettes mhm. Et alors que maintenant, la musique est sur Internet. Donc du coup, c'est pas avec les CD ou les cassettes qu'ils vont nous vendre, qui vont se faire de l'argent, je pense. Non, mais écoute, mais, mais, non, attends. J'ai dit que Simon, il a fait des mixtapes il n'a pas, il l'a pas donné gratuitement. Euh, euh Cinquième de grand, ils ont fait un album, ils l'ont pas donné euh, gratuitement. Moi, pareillement. Euh, 23-3, euh, pareillement. C'est un mixtape, ils l'ont pas mis téléchargeable hein, gratuitement. Non, j'ai dit que les school, quand ils, prennent du temps à travailler, et ce, travail-là, ils vont pas le donner gratuitement. Parce qu'ils savent les moins qu'ils ont mis, ils savent les moyens euh, mental qu'ils ont mis du temps. Mais un jeune qui a, son studio chez lui, qui n'a pas, qui, n'a rien écrit, qui vient, qui s'assoit, il fait avec son portable, il te fait 50 euh, sons comme ça. <laughs> Mais <laughs> il pense que c'est le meilleur. Euh, il écrit comme ça, vite fait, hein. il enregistre le plus rapidement possible et il le sort. Mais ça, c'est <laughs> des mouchoirs agités quand même. C'est des mouchoirs agités. Moi, je vois comment les jeunes, ils écrivent maintenant leur, leur, texte là. Non, dans titre, ça, ils sont dans les studios, ils sont là-bas. Au même moment, ils n'ont rien à la tête. Avec le portable, ils écrivent, ils enregistrent, ils finissent, ils mixent, ils masterisent et ils le sortent. Le même jour. <laughs> Après, ils sont forts. Non, mais mon frère, on n'a pas encore vu ma soeur on n'a pas encore vu un Iba chez les jeunes là. Non, moi j'ai pas, pas vu euh, remplacer Iba quoi. J'ai pas vu qu'on remplacer un Keti. J'ai pas vu qu'on remplacer un Roman. J'ai pas vu qu'on remplacer un Je J'ai pas vu qu'on remplacer un Matan de Très sincèrement, qui te parlait de Tchernobyl, qui te parlait de, euh, de, de, euh, de, euh, courbes, qui, qui te parlait de la, physique, de la science donc, mais c'est ça. Mais, mais fou malade, qu'est-ce qu'il a fait Tout le monde a fait dans autre chose. Il a dit, mais ils ont oublié, le fou là, il, il habite chez nous. Hein. C'est nos frères. Il n'était pas fou, il n'est pas né fou. Non, <laughs> il était quelqu'un. Maintenant, ils l'ont oublié. Et c'est quelque chose, de mais lui, il a pensé sur ça, il, a rappelé. Boum il dis-moi, nous nga choqué tout le monde ils ont aimé après mon émerger. émergé C'est comme ça les politiques gars nous avec Kergi on les a clashés direct di Senturi. c'est ça une énorme monnaie c'est comme ça niki il faut que tu représentes quelque chose. est-ce que c'est pas aussi parce que au fur et à mesure qu'ils gagnent de la notoriété leur vie change et que c'est ça qu'ils ont envie de partager avec le public c'est-à-dire que quand on démarre dans un quartier peut-être qu'il sera plus défavorisé en ayant du succès on va gagner de l'argent hum. et la vie va changer. Oui, mais ta vie ne peut pas changer. Je t'ai parlé de ça, je dis, ta vie, femme doit changer quand tu changes la vie de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, de tes amis. Moi, pour moi, quoi, ma vie va changer le jour où je vais changer la vie de tous ceux qui m'entourent. Parce que quand ton père, il te mène à l'école, t'amène à l'école, ou ta mère, c'est pour que tu réussisses. Ok, il y a des connaissances, mais pour que tu réussisses. Quand tu réussisses, ils attendent que tu, <laughs> les fais sortir euh, du, ghetto ou bien tu, changes leur vie. Ta vie a, changé, mais leur vie n'a pas changé. Tu te représentes. Non, tu représentes le quartier. Donc le quartier n'a pas changé, tu ne dois pas changer. <laughs> C'est comme ça, normal. Est-ce que tu peux nous parler aussi des collaborations que tu as eu à faire euh, sur ton projet Et aussi ce que tu as invité. oui, dans l'album, j'ai invité pas mal de rappeurs. Il y a, il a Nidoff, il y a Ombre il y a Rexti, il y a Cannabas, il y a, euh, y a Mister Zoo, il y a. Il y, a, il, y, a, il, y a, il y en a beaucoup, il y a les Américains, il y a Tifresh Theodore, il y a, il y a Salif, The First Black Vikings, qui, qui, est dans le label de Akon, Convict, il y a aussi Mr. B. Airball qui est à Pennsylvania, donc, euh, il y a aussi des Français qui, habitent en 9-1. Donc, il y a Momo qui, est, euh, fait partie du. Euh, qui, est un vétéran là-bas, qui. les Niska, c'est son boy. Donc, c'est des, old school et de middle school, quelque chose comme Mister Zoo et, et Canabas, sinon il n'y a pas de, new school. Et pourquoi Non, euh, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un choix, mais bon, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Euh, les jeunes, les boys, je les respecte bien, je les aime bien. Et quand je leur parle, c'est vraiment pour que pour qu'ils voient le chemin, quoi. C'est pas parce que c'est mes petits euh, ou bien c'est des jeunes, ils ont ils ont du talent que voilà voilà je je vais je ne vais pas leur dire ce que je pense. Je leur dis ce que je pense parce que j'ai envie de les voir euh, au top. J'ai envie de, leur voir, de les voir euh, euh, dealer avec ceux à qui Grand dit le avec J'ai envie de les voir là-bas aussi. J'ai envie de voir là où un deep qui rappe là où Daredi a, posé les pieds. <laughs> Oui, c'est normal. Dans les, dans, les festivals les plus, les plus grands festivals du monde. Il doit rapper là-bas. Là où Awadi a rappé, on doit voir là-bas un, un, un, comment dire, un Omzodala ou bien un Akir ou bien un Jamri. <laughs> Normal. Il ne faut pas que nous, nous, nous, nous, nous, loolu laa leen yéene te loolu man xam ni avec leur façon de rapper comme ça non ils vont jamais être là-bas ils vont jamais être là-bas parce que <laughs> en, en prenant un petit qui va faire comme ça ils vont prendre un Niska quand même un esclave, il fait beaucoup plus, plus de trap que eux. Hein. Oui, et il, rappe une, langue qui est connue. Donc, avant de prendre un type, il préfère un Niska. Il veut dire, Niska, c'est un Français. Là, la nationalité, il ne va pas demander de visa. Un. Deux, il va rappeler en français. C'est une langue universelle. Un. Trois, il rappe mieux que eux du, du trap. C'est comme ça. Designer. Et quand, ils ont besoin de. Ils vont prendre un designer. Un designer, il, il plus que mieux que du trap. Et il le rappe en anglais. <laughs> Et il a la nationalité. Donc il peut pas, il faut aller partout. Alors, mais il peut prendre un Morgan, parce qu'un Morgan, il rappe pas comme designer, il rappe pas comme un Niska. <laughs> Il, a sa façon de rapper, sa façon de parler, sa façon de voir les choses et une idéologie qu'eux, ils n'ont pas. Tu vois et ton projet, euh, sur quel label tu l'as sorti J'ai sorti, euh, c'est indépendant, mon label c'est Wondeng Challenger, c'est mon propre label. Donc euh, j'ai autoproduction quoi. Donc euh, ça s'appelle Wondeng Challenger. Wundung Challenger, Wondeng c'est un SDF, c'est un mot Wolof. Donc en fait, on, on veut faire revivre euh, le Wolof. Le Wolof qui est une langue intéressante, riche, importante et maintenant, nous, quand on entendait un nombre d'Aradji, tu sens que vraiment ça, tu vas, tu vas te demander, mais il vient d'où Parce qu'il te fait du Wolof, il te fait, il te dit petit Takantikou, il te parle des mots que tu vas chercher à, à connaître. Tu vois, le, vrai, euh, comment dirais-je, euh, le dictionnaire Wolof, moi j'aime ça. C'est l'or motaron, magi déglu parce que dañ ci doon fekk wolof boo xam ne dañ naan kii kon moo ko yar moo quand je rappelle les gens ils me disent kii xanaa mag moo ko yar mais c'est vrai c'est ma grand-mère qui m'a éduqué qui m'a inculqué ses valeurs et qui m'a moom moo ma sol wolof mun naa la wax wolof ba mu jeex tàkk parce que ay te wolof yu diis parce que wolof ma ko sol doomu sàngee boo ci laal morom ba yëngu hum? c'est c'est c'est des wolof doomu sàngee mooy ki nga bokkal deret sa benn meen quand tu parles ça, les gens ils vont pas comprendre. Mais c'est important, il faut que nous fassions revivre notre langue. Mais maintenant, les, rappeurs, Ben Wolof, ils font Wolof, français, anglais, mélangé, boum, boum, boum, tu comprends même pas. Tu vois, mais, lui, il vient d'où Il est noir, mais <laughs> il vient d'où Donc, les gens, ils vont dire, ah, il, parle Wolof, il, il parle Soninke, il parle Djola. C'est ça, c'est-à-dire il faut pas nous une aliénation culturelle quoi il faut que nous Senghor il a dit enracinement après ouverture il faut enracinement après vers l'ouverture quoi c'est important. Et tu euh, suite à la sortie de ce projet-là, par contre, on t'a pas vu faire de concerts, de grands concerts dans les grandes même Pas, même pas, j'ai pas. Moi, j'aime pas ce genre de, de défi, quoi. De grandes salles, grandes salles. Ça, c'est des. <laughs> Sincèrement, quand je dis, oui, il a fait grande salle, je dis, mais c'est petit, il n'a qu'à aller à Samansi, il fait le concert. Comme ça, tout le monde, comme le Moudem Taroti Djantibi, là, euh, ceux qui sont aux États-Unis, en France, tout le monde va le voir, il fait le concert. <laughs> voilà, s'il veut faire l'extraordinaire, euh, remplir les salles, nous, on l'a fait combien de fois Notre album Non Condoléances, on a, on a bougé partout, on a rempli les salles. Mais moi, si nous mon concert, ça lui fait dal alliance facebook ba gars yi taxaw ci miir mu moi je posais pas la question à savoir nan lañ dafa ça ko non après bu conseil bi jexé damay laaj est-ce que fessal na xel yi est-ce que ñu fa joggé xam nañ message mo doon lancé est-ce qu'ils ont compris du ma a nalaw ndax loolu sama je me posais la question à savoir est-ce qu'ils ont compris le message mais pas à savoir est-ce qu'ils ont rempli les salles et tu as rempli les salles est-ce que tu as rempli les têtes <laughs> moi je veux pas ça je veux me pour que demain tu nous ñu ma bokk sama Nous nous analyse ci nous fight nous vrai vrai nous pour Sénégal am place de l'indépendance fi am mais c'était Ndiaye tenir un discours bi c'était un un avocat n'est-ce pas on moo tenir ils se sont battus pour ñun ñu mëna am jamm tay nga tok <laughs> fi nu la nexé ki arrière y avait des morts une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent et ces vivants là dina pour continuer donc il faut qu'il y ait des sacrifices sacrifice pour nous, il faut que nous, les rappeurs ñu xam y avait des des différences entre rap ak mbalax on disait rap consciousness mbalax nabaw caaxaan faux. maintenant rap mbalax ben, la tiaxan consciousness zéro après les boys veulent me faire comprendre qu'ils ils peuvent écrire comme nous <laughs> Ils n'ont qu'à le montrer. Alors, du coup, euh, quels sont tes projets à venir pour euh, ton prochain album Dans combien de temps on peut l'attendre Et est-ce qu'il y aura des collaborations avec euh, cette nouvelle génération dont tu parles Tout à fait. Bon, là, on est, on est dans le projet de Fondamental. J'espère bien, Inch'Allah, on fera des concerts, si Dieu le veut. bon, voilà, après, là, on est, on est en science promotion médiatique, quoi. Après, on va faire les concerts. Après les concerts, euh, comme je te dis, je suis dans beaucoup de choses, euh, pas seulement dans le rap, dans l'activisme, etc., etc. Donc euh, après, on va, on va faire un autre album. Ça, c'est un album film, il y a des épisodes. Des, bon, voilà, je peux faire un autre album qui n'est pas dans le film, qui n'est pas un album film, mais d'écriture. D'écriture. Et voilà, je, je, vais essayer de collaborer avec, avec la, la nouvelle génération euh, bon voilà quoi, une génération pétrie de talent, je te le dis, mais un peu coincée parce que bon voilà, un peu copie-coller euh, et voilà, il faut chercher l'originalité quoi. Vous, du coup, tous les anciens, quand vous vous croisez, euh, les Books, les romanes les Ketty, etc., quel regard vous portez de, quoi vous parlez de ça parfois, de ce que vous avez légué à... De ce que je te dis, on parle de ce que je te dis on critique les jeunes, on dit que euh, il n'y aura plus, ils font des copies-coller, euh, euh, voilà, c'est plus extraordinaire. Mais tu sens du, talent grave, mais pas extériorisé. Donc voilà, c'est dommage, <laughs> mais c'est ça qu'ils disent. Hein. C'est ça qu'ils disent. Hein. Ils savent. Donc ils ont vraiment envie que ces, que ces jeunes-là représentent leur quartier, représentent leur vrai vécu le vécu quotidien. Donc euh, voilà. Quand on discute, moi je suis. Euh, je dis pas que je suis ami avec tout le monde, euh, mais, mais j'ai pas de problème avec, avec, avec les rappeurs. Hein. Je parle avec Books, avec, quand je vois Books, on déconne, on parle, on discute. Avec Kouman, pareil, avec Nidov, pareil, il n'y a pas de problème. Hein. avec avec, <laughs> avec, avec, aussi. la dernière fois qu'on s'est vu, on a on a parlé, on a rigolé, bon voilà. Euh, euh, avec avec, avec euh, Simon, toujours cool, hein, nice, <laughs> on discute, on parle de tout. Hein. C'est même pas l'atmosphère rapologique, quoi. C'est des trucs à l'ancienne, tu vois. On parle des trucs à l'ancienne, des, trucs qu'on a fait ensemble, et bon voilà. Voilà, bon, peut-être je suis pas trop en phase avec, avec quoi trop en phase avec Kergui. Parce que c'est des antécédents et ce pas des choses qui sont qu'on a mis sur la table. On ne on, on, on, s'est jamais réunis pour, régler ce, problème. Donc euh, voilà, on garde, que chacun garde toujours ce qu'il qu'il a dans, dans son cœur. Un jour viendra, euh, ça va se parler quoi. Ça va se parler direct, entre, comme, comme des mecs quoi, tu vois. Voilà ndox mi di dugg ci tout ça bu ma personne ne m'a dit je suis parti j'ai acheté une moto pompe ma ko ci bi bu mi di dañ koy dañ koy Je mi ko ci Je service je sama ñu ñu tu vois quand je suis venu ils m'ont parlé je suis allé voir le préfet direct ce jour-là je suis venu c'était le lundi secrétaire bi la mardi vendredi mais quand je lui ai parlé elle a senti que devant lui euh, il a il a devant lui un révolutionnaire devant lui un activiste qui n'est pas comme les autres et il m'a accepté il m'a dit ok je vais parler avec le préfet quand il m'a introduit devant le préfet direct le préfet c'est lui qui est sorti de son bureau qui m'a qui est venu me prendre pour pour pour ñu dugg ci bureau pour ma wax de samay doléance pour doléance population euh, bustaan bi que pompe bi dama ko indiwoon pour population Bustan parce que ndox que day nangu seen yi n'est-ce pas et quand euh, le préfet a compris moi au service d'hygiène ma au service d'hygiène gis le directeur bi ñu may déglu wax ak direct donc nous on dépasse le raban c'est pas le maï non non non au-delà même du maï man dugg l'avion, avion ànd ak waa ñoom fay

Ils étaient là-bas, les, les, les, les, les orchestres <laughs> Et pourtant, il y a le Quand je suis parti en Allemagne, j'ai acheté des micros, des baffles, et tout ça. Je suis allé à, la prison de Kaola, mon micro-prisonnier. Taïdi, bon, petit, bir prison, micro, vous noté, baffle, vous avez eu, des ballons, vous avez fait des récréations, man, man, man, man, man, Je pas pas frère là là j'ai pas de là-bas. Je l'ai fait parce qu'il y a l'humanité là-bas, il y a des personnes qui sont là-bas, il y a des. Nous avons des de toute façon, nous Donc nous, on fait ces gens d'actes. Derrière, il n'y a pas d'ONG, il hein. n'y a personne, c'est moi. Donc voilà, le plus c'est ONG là, il y a là. Moi, c'est mon financier. Moi, je suis moi, la caméra, je suis il n'y a pas derrière, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Donc c'est naturel. Avec Kimi Seba, c'était pareil. Yobu, je suis parti à l'aéroport, je me suis battu. Wah, Yourou, casse, ça sortait de moi. Et c'était vrai. Nous l'avons dit, nous avons dit, une manifestation. On ne voit jamais un new school. Pourquoi <laughs> Ils ne font pas partie de la vie. Ils ne sont pas sénégalais ou bien Tu vois, il y en a marre. Tu vois jamais un, new school. Ils fuient leur responsabilité. Et peut-être qu'ils ont plus de choses à perdre que vous qui avez déjà fait votre carrière. Mais, mais quoi Vous avez déjà votre argent, vous avez déjà fait votre carrière, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors qu'ils peut-être qu'ils ont pas envie de prendre des positions pour justement se mettre de côté une certaine partie de leur public qui n'est pas encore acquis. Euh, le, public, c'est pas, c'est pas chercher à acquérir le public. Fais ce que tu as à faire. Do what you have to do. Le public, tu ne peux pas accueillir tout le monde. Il y aura toujours des froissés, des gens qui vont rester là-bas, des haineux. Donc fais ce que tu as à faire. Tu as une mission à faire, fais-le. Que ce soit nous bougons ou nous fais-le. Donc, pour nous créer une position, il faut forcément prendre des positions. Dans la vie, on doit dire des positions. Et après, là, tu fais que nous C'est des positions, c'est vrai. ça peut avoir aussi des retombées néfastes. Mais Grave là, fais ce que tu as à faire et puis voilà. Et ton dernier mot pour tes fans Ouais, moi, moi j'ai pas de fans. Hein. Ceux C'est ce qui m'écoute, je ne les appelle pas des fans. Euh, j'ai des, des, adhérents. Merci. En nous, j'ai des adhérents. J'ai pas de fans, j'ai des adhérents qui adhèrent à ma philosophie, à mon état d'esprit, à ma façon de voir les choses. Point. Parce que après, nous

Vos sons.